Inside BL Fort. Nous sommes donc à la troisième journée de la conférence Sarah. Euh, cette journée va marquer la fin de la phase aller ici à Dakar Arena où nous aurons en première heure euh, l'équipe nigériane qui n'a toujours pas euh, perdu de match. Rivers Hoopers va donc s'affronter à l'US Monastir qui risque de terminer cette première phase sans victoire. Et en deuxième heure, nous aurons bien sûr l'AS Douane et l'équipe à la paire. La paire n'est pas un parti politique, euh, c'est un club de basket qui se trouve au Rwanda et qui, comme la Swan, a remporté un match et perdu aussi un match. Donc ce sera donc le programme pour aujourd'hui et nous vous parlerons euh, bien sûr comme d'habitude de l'ambiance qui se trouve euh, dans le stade. Vous savez, la BL, c'est toute une organisation euh, qu'on vous présentera aujourd'hui dans ce numéro. Et la BL, c'est aussi de la formation. Il y a une clinique qui a été organisée pour plus d'une centaine de coachs ici, mais aussi 40 arbitres ont bénéficié d'une formation. Nous en parlerons dans ce numéro. Rejoignez-moi euh, dans Dakar Arena. Nous allons vous montrer l'ambiance de la journée 3. je m'appelle euh, Babacar Gueye, je suis arbitre sénégalais, je suis euh, arbitre FIBA depuis 2006, euh, je suis élite FIBA aussi depuis 2013. Alors, dans le cadre de la BAL qu'on organise ici dans la conférence Sahara, 116 coachs et 40 arbitres ont subi une formation. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé comme activité ici avec vous les arbitres et les coachs oui, mais je serais désolé de vous répondre euh, pour en ce qui concerne les coachs, parce que je n'étais pas présent, parce que les deux cliniques euh, se tenaient en même temps. Donc, mais en ce qui concerne pour le clinique des arbitres, donc voilà, donc euh, ça a été très riche en, en expérience. Donc, euh, on a vu euh, presque la, la, majeure partie du, du règlement, euh, de la mécanique d'arbitrage. Et donc aussi, on a vu aussi la différence qu'il y a entre la mécanique de l'arbitrage FIBA et la mécanique de l'arbitrage de la NBA. Donc, comme vous le savez ici, donc quand vous voyez les arbitres après, quand il y a faute ou bien obstruction ou bien des violations, si vous voyez la manière dont font les signaux, donc ça veut dire que ce pas des signaux de, de FIBA, mais c'est des signaux de la NBA. Donc il y a un mélange entre le règlement FIBA et la mécanique de la NBA. comment vous trouvez l'initiative donc de la BAL euh, d'organiser en fait euh, ces genres de formations, on va dire, ou bien des cliniques comme vous les appelez, à l'endroit des arbitres spécialement euh, Moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que comme vous le savez, nous, ici au Sénégal, presque la majeure partie des arbitres, c'est les jeunes arbitres. Donc euh, moi qui vous parle, donc par modestie, donc euh, j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à eux. Donc euh, euh, Dieu, merci, donc j'ai fait beaucoup de compétitions. Donc à chaque fois quand je vais à une compétition, quand je reviens, je partage avec eux. Donc tout ce que je les ai dit maintenant, c'est que c'est ça qu'on a vu pendant le clinique. Et donc avec l'expert de la NBA, donc grec, donc voilà, donc il est revenu encore en large donc tout au fond des, choses, donc pour bien expliquer aux jeunes arbitres donc comment se comporter, donc respecter les anciens et à chaque fois poser des questions et en même temps aussi avoir toujours le règlement donc euh, à, à sa disposition pour pouvoir donc à chaque fois décider mais de la bonne manière sur le sur le terrain. Alors, comment vous trouvez le niveau de l'arbitrage On sait qu'il y a eu euh, beaucoup de mouvements de la part des, des clubs euh, pour contester sur le terrain, même parfois de la part des joueurs. C'est une incompréhension de ce qui se passe sur le terrain, des règles du terrain. Ou bien, comment trouvez-vous de façon générale l'arbitrage de cette BL de la conférence à ici Non, ben, désolé, je ne pourrais pas parler de l'arbitrage de la BL, mais si vous, si, vous parlez de l'arbitrage euh, au niveau local, bon, peut-être que je peux donner mon avis. Bon, en tant que personne morale des arbitres de Dakar, donc, par mon destin, je suis le président des arbitres euh, au niveau de Dakar, la CRAMC, donc euh, la Commission régionale des arbitres macroéconomiques. et Donc, euh, mais à chaque fois, on essaie de faire de notre mieux donc, pour être au niveau. Comme vous le savez, les jours sont athlétiques maintenant, ils courent vite. Donc voilà, le basket se, développe d'une manière extraordinaire. Si les arbitres ne suivent pas, ça va poser problème. Voilà. Et à chaque fois, le conseil que je donne aux arbitres, c'est quoi Il faut être modeste. Ne pas dire que je connais le règlement, c'est moi qui suis arbitre, je connais le règlement, les autres ne connaissent pas le règlement. Non. Je me rappelle, euh, l'instructeur FIBA nous disait, si vous êtes sur le terrain, vous sifflez une fois. Je ne parle pas des jours, mais les fans, les, spectateurs, tu siffles, euh, tu siffles une deuxième fois, ils crient, et une troisième fois aussi, ils crient. Alors, fait euh, tu, te dis, mais est-ce que moi, ce que je suis en train de siffler là, est-ce que c'est bon Voilà. Donc, pour dire que donc, les arbitres ne détiennent pas le monopole du règlement. que tay mën wax ni dañu def ay erreurs yu bari ci côté ci côté jeu bi loolu tey moo indi li moñu indi fi mais parce que dañu tok lu yàgg duñ duñ en plus on joue des fois on on on jouer jeu au jaxasoo même coach à chaque fois on wax nous comme une ñu de jouer on partage la balle on joue normalement. est-ce que pression publique bi doon ko sentir pression non même pas une pression une public au moins dañuy motiver ñun le dañuy motiver bu la gisee ñu donne motiver am énergie mais pas pression non on sent que vous perdez beaucoup de balles à chaque fois à la fois vous avez aussi du mal à gérer votre score waaw loolu tamit dëgg la parce que il y a beaucoup d'incompréhension sur le jeu loolu le tax des fois kii day jaar fii kii jaar fii mais juste loolu dañ ko nu ko notifié ko su ñu ko notifié entraînement incha allah. temps de préparation bi moo doy moo tax ngeen déséché bi lan moo doy lan moo doy. non c' est pas ça parce que coach bi moom mën naa wax ni ci ñaari fan sax mën na préparer équipe bi. parce que xam na xam na li muy def xam na liggéeyam loolu du problème am c' est juste que defet moo ñëw rek mën naa wax loolu quoi. mu des ay matchs yi nga xam ne trois matchs la muy match yi déterminant pour nga mën a dem qualifié dem fi nga xam ne mooy Rwanda mais ngeen fas yéene aborder match yi parce que match yi foog ngeen gagné pour mën a des si course. waaw ni ñu ko mën a aborder mooy euh, comme ni ñu aborder yeneen match yi mais bi il faut ñu gën a wane fulla ak fayda xam que ñu ngi kër ñu ñafe bu baax pour pour ñu qualifier pour pour mën a dem Rwanda. non non compétition amul xeeb non parce que équipe fi fu ñëw rek équipe dañ ñëw équipe bi ñu nekk am temps fort am équipe bi mën naa temps seen temps fort dañuy dugal seen panier ñu suñu temps fort dañ marqué dañ dañ perte ay ay ay bal def ay tirs yoo xam dugaluñ loolu moo ñu sonal loolu kese

Euh, mais euh, à part Chris aussi, nous avons encore deux autres grands, que ce soit Mike ou euh, Malheureusement, ils n'étaient pas euh, à leur niveau. Et Mike était un peu aussi. était essoufflé. On l'a abreuvé de ballons à plusieurs reprises. Malheureusement, des, des, balles qu'il n'a pas pu mettre. Et ça, ça nous a posé énormément de problèmes. Parce que pour prendre des tirs faciles, il faut aussi s'imposer à l'intérieur. Euh, ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui. Euh, ça fait trop mal au cœur. Euh, ça fait trop mal au cœur parce que en regardant les stats, nous avons presque dominé à, tous les niveaux au niveau des rebonds, au niveau des assists, au niveau des, interceptions. malheureusement, en, fin, en temps, nous avons manqué un peu de lucidité en faisant euh, deux pertes de balles qui nous ont coûté extrêmement cher euh, malgré tout cela. Et ces, euh, ces pertes de balles, certainement, je ne vais pas dormir de la nuit à cause de ça, parce que c'était un, match qu'on pouvait, qu'on pouvait gagner. Hormis ça, après ces interceptions, on n'arrive pas aussi à les concrétiser parce que je pense qu'avec les interceptions, on a eu 13 euh, interceptions qu'on n'a pas pu concrétiser. Euh, on met la moitié euh, de ces interceptions, le match est, fait. Et certains box que, nous avons perdu des ballons de deuxième chance, euh, c'est vraiment dommage, c'est vraiment terrible parce que euh, ce match vraiment était à notre porte. Il faudra encore attendre pour la deuxième victoire de l'AS Douane. Malheureusement, aujourd'hui, euh, l'efficacité n'était pas au rendez-vous pour les Gabelous qui ont perdu en fin de match 5 points d'écart un match perdu à cause de certains paniers qu'ils n'ont pas réussi à mettre sous le cerceau ou bien encore de ces duels euh, ratés euh, sous le panier. Le coach en a parlé en conférence de presse, mais retenez que rien n'est encore perdu pour l'AS Douane qui donne encore rendez-vous aux supporters jeudi euh, pour l'entame de la phase retour et on espère que les trois prochains matchs de la phase retour euh, permettront donc au Gabellou de décrocher le ticket euh, pour s'envoler vers Kigali.